nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. Nous voulons une reprise immédiate des activités culturelles. Nous voulons travailler et être indemnisés. Nous voulons reprendre en œuvre immédiate du plan de relance. Dans le plan de relance bi nga xam un acteurs ministère de la culture ñu def ko ci tàng bi ñu commencer ko euh, euh, mettre en œuvre. nous voulons que le statut de l'artiste et des professionnels de la culture soit effectif. nous voulons que. statut de l'artiste bi nga xam ne que ni circuit bi ñu rectifier parce que y a ay erreurs yoo xam nous voulons une mise en œuvre immédiate de la COP privé bi nga xamné ne ne que ne moom mooy droit bi gën économiquement bi gëna am solo solo ci ci ay droit que ñu mettre ko en œuvre effet euh, kii nu mu tout de suite. nous voulons une mise en place d'un fonds de garantie pour la culture. dañu bëgg ñu defar ñu fonds de garantie pour culture parce que entreprise culturelle yi ak organisateur culturel ak artistes mënu mënuñu am accès au crédit ndax té banques yi ñu nous voulons une mise en place de fonds d'appui à la musique, au théâtre, à la danse, etc. Nous voulons faire un fonds d'appui, comme il y a un fonds qui existe, cinéma et culture urbaine, nous devons faire un fonds qui la musique, fonds pour danse, pour les comédiens, fonds qui est un secteur d'activité qui est culture. Nous voulons une indemnisation des entreprises culturelles, des artistes et des auxiliaires de la culture. Organisation bi ñuy laajte mooy bi li nga xamné ne fukki wér yi ñu toog liggéeyuñ ko dañu bëgg ñu dellu fay ko artiste yi fay ko entreprise culturelle yi fay ko organisateur de spectacle yi nous voulons une annulation des dettes fiscales des artistes et des entreprises culturelles et des organisateurs de spectacles. bépp lemp bo xamné ne que né artiste amel n'ako, amel nako nguur gi entreprise yi amel ko nguur gi organisateur de spectacle yi amel ko nguur gi dañu bëgg ñu dindil ñu ko ñu effacer ko nous voulons un allègement de l'assiette fiscale dans le secteur culturel. Nous voulons que la euh, fiscalité bi nga comme que entreprise culturelle yi ak lépp képp culture Nous voulons parce que nous entreprise standard parce que la culture dafa am neneen nous voulons le respect du paiement des redevances du droit d'auteur des droits voisins par les radiodiffuseurs. Nous voulons que droit d'auteur respect respecter également droit droit voisins, euh, euh, télévision ak la yi nga télévision il y a eu trop de bruit nous voulons une mise en place immédiate de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective dont la SODAV coalition CAM et alliéum nous bëgg que rapidement mettre en œuvre commission permanente de contrôle bi nga que nous rôle société de gestion collective dont nous bii fi on a tous droit au travail. Nous n'avons pouvons a nous nous ñu secteur nous dañu oublier nous secteur Nous ñun dignité nous devons respecter pour nous liguer. l'événementiel est essentiel les acteurs culturels en sont le moteur. mbirum spectacle dafa nekk loo xam ne ne que ne dafay dafa essentiel ci euh, culture boo xoolee moom mooy économie bi donc te artistes ñoom ñoo koy dundal